forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio le forum du studio 18h passé de 15 minutes à Niamey. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau numéro du Forum du Studio Kalangou, qui est un espace d'échange et de débat dans une présentation de Mokhtar Hamadou. Les programmes du studio Kalangou sont diffusés grâce à un réseau dynamique de 33 radios partenaires qui diffusent en direct euh, les programmes du studio Chers auditeurs, aujourd'hui vendredi 15 décembre 2017, le forum est consacré au décryptage de l'actualité de la semaine marquée par le lancement officiel hier à Tawa des festivités de la quatrième édition de la fête tournante du 18 décembre dénommée Tawa Sakola qui est également le 59e anniversaire de la proclamation de la République du Niger. L'actualité, c'est aussi cet incendie déclaré à la mi-journée du mardi au niveau d'une station-service du quartier Cité chinoise. Il s'agit d'une citerne d'essence stationnée sur place qui a pris feu. Au plan médiatique, l'ONG Article 19, basée à Dakar en partenariat avec le Conseil supérieur de la communication, a organisé mardi un atelier de réflexion sur la mise en œuvre de la loi portant accès à l'information au Niger. Au plan social, les étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey ont marché mardi au palais de justice, du palais de justice au ministère des enseignements supérieurs en passant par le trésor national pour exiger du gouvernement des meilleures conditions de vie et académiques. Enfin, nous terminerons euh, avec euh, la rencontre sur le financement de la force conjointe G5 Sahel tenue le mercredi 13 décembre dernier, non loin de Paris, en France. Avec nous ce soir pour développer euh, ce thème, Abachari, Arimi, journaliste à la radio alternative. Abachari Arimi, bonsoir. Bonsoir. Jafar Maman, euh, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Jafar Maman, bonsoir. Bonsoir. Avec nous également Murtala Mamadou, journaliste à l'hebdomadaire satirique La Griffe. Murtala Mamadou, bonsoir. Bonsoir. Le Premier ministre Brigitte Rafini a officiellement lancé hier à Tawa les festivités de la quatrième édition de la fête tournante du 18 décembre, dénommée Tawa Sakola, qui est également le 59e anniversaire de la République du Niger. Dans son discours, le chef du gouvernement a invité la jeunesse nigérienne à s'engager pleinement euh, dans la lutte contre la radicalisation et l'extrémisme violent. On l'écoute. Je vous dis, chers jeunes, que votre pays, le Niger, votre avenir valent mieux que tout. C'est pourquoi je vous invite euh, à lutter, lutter avec détermination contre la radicalisation et la violence. Je vous invite à promouvoir une véritable culture de la paix et contribuer de toute votre énergie à la construction d'une société paisible. L'ambition que porte le président de la République dans son programme de renaissance est de faire du Niger un pays émergent, un pays où les jeunes tiennent le haut du pavé à travers la politique de la promotion de l'entrepreneuriat des jeunes. C'est dans ce sens que le gouvernement s'est doté de toute une politique nationale et d'un plan stratégique pour cette jeunesse. Jeunesse que nous estimons est le véritable fer de lance du développement. Abbachari Arimi, journaliste à la radio alternative. Vous venez là de suivre le Premier ministre Brigitte Raffini. Quel commentaire euh, Merci. Euh, bien évidemment, euh, la question de la jeunesse, depuis Tanja jusqu'à aujourd'hui, reste d'actualité. on se rappelle à l'époque, on disait que Chirac avait dit que la jeunesse euh, nigérienne particulièrement était une bombe à retardement. Donc c'est euh, le moment euh, de mettre l'accent sur la jeunesse. Maintenant, le discours est une chose, euh, la prise en compte des problèmes euh, de la jeunesse en est une autre. Euh, parce qu'on voit les étudiants qui battent le pavé tous les jours, les enfants qui ne sont pas allés à l'école euh, même aujourd'hui, euh, les enseignants qui sont aussi des jeunes, à l'écrasante majorité, c'est moins de 30 ans aujourd'hui. Vous avez le sentiment euh, que la jeunesse n'est pas prise en compte dans les actions de développement C'est vraiment des discours, des discours et des discours. À mon avis, réellement, le taureau n'est pas pris par l'école cornes. Maman du journal L'Indépendant Plus. Hier, euh, dans son discours, le président du comité d'organisation euh, du Tawa Sokola, le ministre euh, Issoufou Katambe, a parlé d'une parfaite organisation du Tawa Sokola. que pensez-vous de cette organisation après les ratés des, autres éditions avec des ouvrages inachevés ah Oui, <coughs> c'est un constat très particulier pour le cas du Tawa. Euh, on espère que, euh, que ça puisse être ça, euh, puisque depuis, si je prends l'exemple de depuis Dosso, Dosso Soga à Maradi Kualia, on a constaté assez de, de, manquements et, d'inefficacité dans, dans, la réalisation, la surtout des infrastructures. Quand vous prenez par exemple le cas de, de, de, de c'est que les infrastructures sont là, mais euh, apparemment il n'y a pas, il y a pas un, une certaine réappropriation, un plan de réappropriation et de mise en valeur de ces infrastructures-là. On a euh, assez de, il n'y a pas longtemps, moi j'étais à, à, pendant la, euh, la fête, j'ai je suis allé à Dosso par deux ou trois fois et séjourné dans les mêmes euh, dans, une des villas. Mais je, je vous avoue que euh, à l'étape actuelle, euh, c'est du gâchis. Quand on voit comment c'est mal entretenu, c'est dépouillé de certains matériels, les équipements sont pratiquement délapidés dans beaucoup de villas. Je me demande est-ce que euh, quelle est l'utilité de construire des infrastructures et quelques mois après ou tout juste après descend après euh, la fête euh, euh, les infrastructures sont laissées à elles-mêmes avec une gestion avec un manque de suivi maintenant il y a un autre aspect plus important c'est peut-être euh, la parfaite organisation oui mais l'utilité des infrastructures moi, je crois plus à l'utilité des infrastructures, pas l'organisation de la fête qui est euh, qui est dans un cadre très restreint, mais euh, les infrastructures ont une durée euh, pour accompagner le développement de toute une région en plus. pas pour deux ou trois jours. Pas pour deux ou trois jours. Et dans ce cadre-là, moi je pense qu'on doit réfléchir plus aux besoins d'abord, pas seulement aller faire des infrastructures et qui ne sont même pas utilisées comme euh, Arimi, est-ce que vous aussi, vous avez le sentiment que la jeunesse nigérienne est abandonnée euh, ou bien ne sont pas prises en compte, euh, n'est pas pris en compte par les actions de développement Oui, oh, mais ça se constate tous les jours. Il y a dans les discours, oui, on prend, on sent un certain intérêt dans les discours, mais du point de vue pratique, on ne le sent pas. il a donné l'exemple de Chirac. Après Chirac, il y a eu au moins deux présidents qui sont passés par le Niger et qui ont relayé le même discours. Pourquoi Parce que en estimant leur rendre, euh, leur euh, offrir un accueil chaleureux, on sort les, les jeunes et lorsqu'ils font le constat de cette jeunesse, ils ont eu le même discours que cette jeunesse. Vous avez une richesse la jeunesse, mais si elle n'est pas encadrée, si elle n'est pas éduquée, c'est une véritable bombe. Et actuellement, aujourd'hui, nous le constatons par des petits exemples. Rien que si vous regardez ce qui se passe à travers les, réseaux sociaux, les médias sociaux, vous sentez qu'il y a tout sauf une jeunesse bien canalisée. Sans compter maintenant de l'autre côté, quand on voit le, comportement au niveau des scolaires où ils sont tout le temps en grève, ils réclament. Et lorsqu'on parle, parce que là, le Premier ministre met l'accent sur seulement un seul aspect de cette jeunesse, c'est la radicalisation. Mais là, on est dans le contexte bien circonstancié de l'insécurité. Mais pour que les, les, jeunes ne basculent pas dans la radicalisation, il faut qu'ils soient occupés par l'éducation et par l'emploi. Et là, vraiment, beaucoup reste à faire. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, selon vous, quelle est la particularité de cette édition 2018 du Tawasakola Écoutez, à chaque fois, les comités d'organisation nous ont habitués à, tout un discours autour des particularités, des innovations qui, euh, euh, au bout de compte, euh, après, euh, avec un peu de recul, on se rend compte que en fait, ce ne sont pas des innovations. Euh, euh, peut-être la particularité pour moi, peut-être que j'ai relevé et qui peut peut-être aller essayer de si elle est bien suivie, puisse permettre de, résoudre en partie le problème de l'appropriation des différents édifices. C'est euh, le fait qu'il y ait des, investisseurs privés qui ont participé à la réalisation de certains de certains. C'est ça la différence avec les autres ça, Ça, va faire en sorte que au moins ceux qui ont investi, eux ne vont pas laisser les bâtiments à, l'abandon. Eux trouveront des moyens pour pouvoir les, euh, rentrer de leurs frais parce qu'avant tout ce sont des entrepreneurs. Donc ça va peut-être résoudre une partie du problème, mais euh, de l'autre côté, la réalisation des stades, des maisons de la culture. Euh, écoutez, un stade, ça ne se fait pas pour que ça soit abandonné 9 mois sur 12. Une maison de la culture, ça doit être animé euh, au moins chaque fin de semaine. Mais malheureusement, euh, là, il y a la chance qu'on n'a pas parce que en amont, on n'a pas réfléchi à, un plan qui puisse permettre de, pouvoir faire vivre ces infrastructures et en même temps faire vivre les villes et leur économie. Arimi Abakari Arimi de la radio alternative, vous avez certainement une réaction rapidement en 10 secondes. Oui, en fait, euh, moi je pense que euh, oui, c'est une très bonne trouvaille, la fête tournante euh, liée au 18 décembre, mais il faut vraiment sincèrement euh, réfléchir sur comment euh, ces sommes vraiment sont des sommes très importantes. On parle de 100 milliards pour Tawasakola, on était à 40 milliards à Agadez, plus de double. Donc, il faut qu'on sache qu'est-ce qu'on fait. Moi, quelque chose comme la voirie urbaine, n'est-ce pas Vraiment des, infrastructures euh, de, culture, de sport, tout ça c'est important. Mais l'histoire a démontré que ces villas qu'on construit à grands frais ne servent pas à grand-chose. Peut-être que ça augmente la capacité d'accueil, n'est-ce pas Mais chaque huit ans, de ces chefs-lieux de région, il faut penser à quelque chose de plus pérenne et plus utile. C'est à cela que la fête du 18 décembre doit servir. Autre, sujet triste cette fois-ci, c'est l'incendie d'une station-service de la mi-journée euh, du mardi 12 décembre au quartier cité chinoise euh, de Niamey. Une citerne d'essence stationnée à prix feu, euh, c'est ce qu'a indiqué le lieutenant Najim Chebou, un pompier ayant intervenu sur les lieux du sinistre. On l'écoute. Très rapidement, on s'est déployé sur les lieux. On a rapidement coupé les propagations et essayé d'éviter qu'il y ait un maximum de victimes. C'est principalement la station d'essence et particulièrement un camion citerne qui s'y trouvait. Donc, euh, il n'y a pas eu de domicile qui a été grièvement atteint en dehors d'un qui est contigu. Les feux d'hydrocarbures, du moins, c'est des feux qui ont un caractère extrêmement violent et leur extinction est vraiment délicate. Donc il faut utiliser beaucoup de mousse pour étouffer les flammes et par la suite euh, refroidir le lieu parce que le risque d'explosion il est vraiment élevé. Il y a eu une seule victime qui a été blessée en urgence absolue. Elle a été acheminée à l'hôpital national par les pompiers. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe. Habituellement, ce sont les classes en paillotes ou des habitations qui prennent feu à présent, c'est une station de carburant qui brûle dans un quartier populaire de notre capitale. Faut-il s'inquiéter oui, nécessairement, il faudrait s'inquiéter. L'inquiétude était déjà là. Peut-être euh, elle n'a pas été assez relayée à partir de, de je crois, de, de, la mise en service de la station de, euh, de, de la société de, raffinage des Indes, la production donc d'hydrocarbures au niveau national. Ça fait euh, euh, quand même en sorte qu'il y ait une multiplication de, assez exponentielle de mon point de vue de, nombre de stations de services, parfois sur des, euh, dans des emplacements parfois on a, a du mal à pouvoir euh, concevoir. Anarchique, oui, vous voulez dire Non, pas anarchique parce que ça, obéit à une certaine réglementation, mais on a du mal à, s'imaginer la nécessité ou l'utilité pour l'entrepreneur d'implanter une station de, une station service euh, sur une certaine distance et, parfois c'est la même entreprise ou bien dans des endroits véritablement des zones d'habitation euh, assez, disons, dans des espaces assez restreints. Oui, les là Mais peut-être aujourd'hui, euh, ce triste événement va permettre euh, aux, uns uns aux autres de se rendre compte euh, du danger dans lequel on vit, du danger qui guette la, société avec cette multiplication des stations-service. de on parlait du danger, que représentaient les vendeurs ambulants au bord de route, alors qu'il y a à côté un danger qui est beaucoup plus important parce que là, disons, heureusement, sur ce cas, l'incendie n'a pas, n'a pas pu se propager comme euh, peut-être euh, euh, on pouvait s'y attendre, mais il faut qu'on fasse attention. Là, on a pu maîtriser, mais qui nous dit qu'on pourra maîtriser les, prochains incendies qui vont se déclarer Jafar Maman, directeur de publication du journal Indépendant Plus. Il n'y a pas de perte en vie humaine, mais les dégâts seraient importants. La réaction des pompiers appuyés par le canon de l'ASECNA venu de l'aéroport a-t-elle été prompte pour éviter le pire à votre avis Mais Effectivement, puisque apparemment euh, le moyen traditionnel des, des, des pompiers n'a pas été à la hauteur de, de l'incendie. Il a fallu l'intervention de, des agents de la SECNA. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est plutôt l'emplacement, puisque nous, ça nous a fait peur, puisque a, à moins de 500 à 600 mètres, il y avait au moins deux grands établissements et nos enfants étaient là-bas. C'était, ils, ont, ils étaient obligés de sécher la journée à cause des incendies. Euh, c'était une panique pour nous puisqu'ils ont, ils ont paniqué, ils ont laissé les enfants à eux-mêmes, ils, ont tout juste pris le soin, euh, les responsables de l'école, de leur dire de continuer vers la direction euh, euh, contraire à, l'incendie. à la direction du vent aussi. À la direction du vent. Mais ça veut, dire qu'il y a un problème, hein. il y a un sérieux problème. Je pense que pendant le premier gouvernement de la 7e République ou le premier mandat du président il y, y, a eu, je pense, un débat sur euh, le respect des normes de sécurité. Mais euh, ça n'a pas donné suite puisque euh, à cette date, moi, je sais pas, hein, j'ai pas eu la conclusion de ce, de ce travaux-là. Mais lorsque des stations, regardez la station, elle est contiguë à une maison. C'est une même, une partie de la maison vendue, euh, qui a servi à faire la station. Et là, c'est vraiment inquiétant. Est-ce que euh, ça respecte les normes. Moi, de toute façon, quelles qu'en soit les normes dont on parle, moi, du point de vue naïf, je ne vois pas pourquoi une station doit être collée à une chambre d'une maison particulière, ordinaire. Ça, c'est inquiétant. Et c'est la maison qui a, qui a, été en partie aussi endommagée. Heureusement, il semblerait que les habitants étaient au service. Il n'y a, pas eu de personnes dans la maison. Mais ce qu'il faut dire aussi, c'est les normes de sécurité. Même si les, les gros euh, réservoir à le sol à la cuve là mhm. a, été peut-être enterré selon des normes de sécurité puisque ça n'a pas explosé. Mais écoutez, si, si ça, ça a explosé, mais c'est toute la zone. Hein. Il y a au moins 3 à 4 stations à côté. Et il y a au moins 3, trois grands établissements scolaires dans la zone. C'est inquiétant. C'est inquiétant la question des stations. Il faut qu'on s'y intéresse. Mais je pense que... Euh, on doit même s'y intéresser. Euh, c'est un domaine qui mérite beaucoup d'investigation pour savoir comment. Moi, on me parle de normes de sécurité. Je ne suis pas d'accord qu'une station d'essence soit collée à une maison particulière, ordinaire. Une habitation. Une habitation. Je ne suis pas d'accord, je ne connais pas les mesures de sécurité, mais j'ai dit, de point de vue euh, du vivre ensemble, c'est inquiétant. Et ça, c'est au, autorités publiques de s'y en charger, parce qu'il va de la responsabilité. Murtala l'a dit, depuis qu'on a eu notre raffinerie, le, pétrole nigérien, on a constaté une floraison de stations d'essence, euh, comme de petits magasins, mais là, il faut qu'on s'y inquiète. Il faut qu'il y ait une véritable investigation et surtout aussi appuyer les mesures de sécurité. Abachari, Arimi de la radio alternative, Comment prévenir euh, des tels euh, sinistres avec euh, le manque de, sensibilisation des populations sur le comportement à tenir face à un tel, à un tel cas ou encore la difficulté pour les soldats du feu et les ambulanciers de s'effrayer un chemin pour arriver à temps mais ben, naturellement, quand la station est mal placée, à un endroit euh, où elle ne doit pas être, c'est normal que les pompiers aient du mal à accéder. Mais euh, le sous-équipement de nos, de nos pompiers, c'est aussi quelque chose de connu n'est-ce pas, quand il y a un feu dans un marché, dans une maison, rien que le temps qu'ils prennent pour venir en dit long sur euh, leur équipement. Maintenant, euh, l'une des réponses à ta question, c'est euh, la sensibilisation notamment. Parce que euh, ceux qui étaient là après cet incendie disaient que la population ne comprenait pas et les gens étaient curieux de voir ce qui va arriver. Or, c'est extrêmement dangereux. Une citerne qui prend feu à côté d'une station. dans une euh, station. Dans une, dans une, dans une station, c'est extrêmement grave. Ça peut vraiment exploser. La bonne réaction, c'est la, réaction des, enseignants de, de, de, de, de l'enfant de, de Jafar qui on demandait aux enfants d'aller carrément dans le sens contraire. Mais la première des choses à faire, c'est d'éviter vraiment qu'une station, je ne suis pas chargé de sécurité, mais c'est élémentaire, c'est le bon sens, c'est une station ne doit pas être à côté d'une école, d'un marché d'un lieu vraiment fréquenté par le, par le public. Or, nos marchés, si on voit, sont entourés carrément de stations. Euh, des écoles sont en face ou vraiment adossées à des stations. Ce n'est pas normal. Il faut sensibiliser la population sur le danger vraiment du, du, carburant. Euh, parce que c'est encore très, très inflammable, mais aussi vraiment que les autorités prennent leur courage à deux mains. Parce qu'on sait, il y a toujours des professions de foi, il y a des faits d'annonce quand on vient au pouvoir, mais après, on se confronte au pouvoir du commerçant et on ne peut plus rien. On peut, il faut oser le faire. Vraiment, c'est dans l'intérêt, y compris de ces personnes-là. Autre aspect du forum de la presse de ce vendredi 15 décembre, c'est cette marche des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey. Une marche qui les a successivement conduits d'abord au Trésor national, ensuite le palais de justice et au ministère des enseignements supérieurs. Il exige du gouvernement des meilleures conditions de vie et d'études. Sita Djabri et le secrétaire général de l'UNUN. On l'écoute. Si nous partons vers notre interlocuteur et que lui-même il nous dit que le problème c'est pas à son niveau, c'est au niveau de notre ministère, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse Et donc, lorsqu'il nous montre que lui il est de bonne foi, il se bat pour décanter nos situations, mais que les situations sont bloquées au niveau du ministère des Finances, pourquoi les gens bon sang ne vont pas croire à nous, à ce qu'on dit C'est parce que, évidemment, nous pensons que notre vraie cible c'est le ministère des Finances. Nous sommes venus aujourd'hui pour nous faire entendre, pour dire que nous ne sommes pas contents du comportement du Trésor national qui ne prend pas en compte les fournisseurs du qui ne prend pas en compte les étudiants tout court, eh bien, il a demandé à nous écouter. Au moins, il a eu le courage de pouvoir vouloir sortir ici, écouter les étudiants, de notre pays de cœur. C'est de lui dire qu'on a un problème. Et le problème, c'est que les universités ne sont pas prises en compte. Il va falloir que dans les prochaines réunions qui auront lieu, qu'on nous prenne en compte. C'est cela le débat qui doit se poser normalement. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe. Vous venez là de suivre le secrétaire général de l'UNUN. Euh, quelle lecture faites-vous de, cette, euh, ce que vous venez là d'entendre alors, euh, d'abord, je vois que je vois des étudiants qui en ont marre de, la mauvaise qualité des services et qu'on euh, leur a forcément donné les explications selon lesquelles en fait, les fournisseurs euh, n'arrivaient pas à recouvrir les fonds qu'ils ont avancés pour, euh, voir au, service des, différences centre d'œuvres universitaires. Du coup, euh, il y a l'ANAB aussi qui n'a pas Bon, l'ANAB là, c'est un problème euh, qui est tout le temps là. Donc, euh, écoutez, ça c'est beaucoup plus, là c'est plus vital en fait que parce que quand vous partez des restaurants universitaires, faites-y un tour, voyez ce qu'il y a. quand les, on met à l'arrêt certains bus de transport des étudiants sous prétexte qu'il n'y a pas assez de moyens pour réparer une petite panne, parce que de l'autre côté, le, le, le partenariat du, centre des œuvres universitaires qui est censé faire les réparations a plusieurs factures impayées, il ne peut pas encore le faire. Du coup, les étudiants se sont sentis peut-être dans une position où ils étaient obligés de faire de une certaine pression sur le ministère des Finances afin que euh, quelque chose soit fait. Euh, ben, est-ce que euh, c'est la meilleure façon de faire Je m'interroge. Mais quand même, ils ont senti cette, cette nécessité. la, la procédure, on peut en discuter, c'est toujours discutable mais je crois que c'est quand même une bonne chose qu'ils aient compris qu'il fallait aller vers le ministère des Finances. mais ils auraient dû peut-être opter pour une autre façon de faire. Mais je crois euh, que quelle, autre façon euh, Une Autre façon avec euh, leur, ils ont une structure. Cette structure peut vous demander à rencontrer le ministre de tutelle d'abord le ministère de l'enseignement supérieur et puis s'il y a lieu de rencontrer le ministre des finances peut-être dans son cabinet mais pas venir de façon anarchique envoyer envahir les locaux d'une administration public. Là, euh, heureusement, ça n'a pas débordé, mais ça pouvait déborder à des, affrontements et donner lieu à d'autres euh, choses gravissimes. Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative, que pensez-vous de cette nouvelle manifestation alors que les cours ne font que commencer ben, écoutez, on on, l'avait, déjà dit pendant les débats des vacances. On avait dit que l'année 2017-2018 euh, s'annonçait euh, très euh, tumultueuse, et c'est ce qui est en train de se, de se confirmer. Que des étudiants décident. Vous savez, la lutte des étudiants, c'est vraiment par étapes. C'est des propositions qui sont faites en assemblée générale et que le comité exécutif ne fait que mettre en œuvre. Sinon, euh, écoutez, il, démissionne. Et moi, je pense que ce n'est jamais la façon dont les problèmes sont posés ou euh, les luttes sont menées qu'il faut condamner qu'est-ce qu'il y a en face Qu'est-ce qu'on a proposé à ces jeunes gens Les causes, les causes, oui, les causes qui, les ont amenés. Il y a encore six mois, on parlait de ces bourses-là. Jusqu'à un de leurs années Raison pour laquelle ils, ils ont convergé vers euh, le palais de, le Mais sincèrement, moi qui vous parle, je vous dis qu'il nous est arrivé d'aller prendre euh, avec le payeur de, l'enseignement supérieur notre bourse au sein du trésor dans un sac pour, pour qu'on aille et qu'il paye à l'université pendant qu'on était en sitting. Donc ça arrive, c'est une démonstration de force, mais si on les met le dos au mur, il ne faut pas se leurrer. Quand ils sont dans des difficultés, pour qui est passé à l'université, c'est que six mois d'arrêt de bourse, c'est insupportable. Donc c'est ce qui leur arrive. Ils, ils disent qu'ils ne mangent, que ça fait une semaine ou dix jours qu'ils ne mangent que la même chose qu'ils ne sont pas en mesure d'aller à l'école parce que les bus ne sont pas disponibles. Mais il faut les écouter. Il y a, pour ceux qui étaient étudiants dans les années 91-92, euh, on sait que chaque semaine, n'est-ce pas, un compte rendu est fait au CE de Léonine, n'est-ce pas, pour dire que voilà la situation de trésorerie. Cette semaine, en ce qui concerne le paiement de bourse, on peut vous défalquer tel montant. Le paiement peut prendre parfois 45 jours. Mais au fur et à mesure, de la même manière que les autres secteurs de, la vie de la nation sont désintéressés, aussi la bourse des étudiants est prise en compte. Aujourd'hui, ça semble ne pas être le cas et ils prennent leur euh, avenir à main. Ce n'est pas, il ne faut pas s'en prendre à celui qui fait la lutte, il faut s'en prendre à la façon dont les problèmes sont résolus. Jeff Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus, aucun acte de vandalisme n'a été constaté au cours de cette sortie des étudiants, malgré leur nombre important et les forces de sécurité n'ont pas fait parler d'elle. Quelle analyse faites-vous de ces comportements inhabituels oui, je pense que c'est ce que j'ai l'habitude de dire euh, dans ces, dans, ces genres de, à l'occasion des manifestations des étudiants pour dire que le contexte ne sont plus le même. L'étudiant dont évoquait euh, euh Arimi de 91 n'a pas les, les possibilités ou les canaux de communication actuels pour se faire entendre. Euh, aujourd'hui, ils ont beaucoup de facilité. Il y avait le média, il y a les réseaux sociaux, les médias sociaux. Ils ont la facilité et même euh, une certaine civilité pour atteindre les autorités. Avant, pour voir euh, même le ministre de tutelle, c'est il faut faire une casse, il faut que qu'on l'interroge à partir de la primature, qu'est-ce qui se passe dans ton secteur pour qu'il court chercher les, les, étudiants. Aujourd'hui, il y a beaucoup de, de facilités. Je pense que les étudiants commencent à exploiter ça et c'est plus, ça, ça, donne plus de résultats. Mais comme euh, Armi l'a dit, il faut s'interroger sur qu'est-ce qui a amené les étudiants à sortir. C'est ça le plus important. Il y a eu des promesses et ces promesses ne sont pas. Et c'est une question de gouvernance. Moi, je veux qu'on descende même voir au-delà des autorités qui ne respectent pas leurs engagements. Les, responsables du CNU euh, qui euh, sont euh, censés... L'année dernière, après la mort de Bagalé, le président de la République lui-même a pris les choses en main, dit qu'il n'y aura plus de retard du paiement de bourse. Voilà, donc c'est un argument aussi de taille pour que les étudiants sortent. Mais j'aimerais que les étudiants essayent aussi d'être rigoureux pour jeter un regard sur la gestion du CNU puisque deux fois, on a tous été étudiants, on est resté à la CASO, on sait comment ça se fonctionne. Si ça n'a pas évolué, il y a beaucoup de choses qui se passent de gouvernance et qui peuvent amener à ce genre de situation. Voilà. Passons à présent au secteur de la communication pour dire que la maison de la presse de Niamey a abrité un atelier de réflexion sur la mise en œuvre de la loi portant charte d'accès à l'information publique et aux documents administratifs. Un texte révolutionnaire sur le continent dont le Niger est l'un des rares pays à en posséder et ce texte est resté dans les tiroirs depuis 2011 faute de décret d'application malgré les plaidoyers du Conseil supérieur de la communication, Jafar Mamana euh, du journal Indépendant Plus. Euh, vous êtes euh, aussi le, président de l'ONUMED. Que pourrait apporter ce texte s'il venait à être appliqué pour l'ensemble de notre profession oui, c'est un texte qui vient valider ou, valiser euh, l'accès à l'information et surtout, surtout aux documents administratifs, c'est-à-dire aux documents, comme on dit, communicables euh, au niveau de, l'administration publique. Mais déjà, il faut dire que... C'est quoi d'abord un, document communicable euh, Je pense que la loi a détaillé deux types de documents. Il y a le document qui relève d'une certaine... Confidentiel. voilà, confidentiel. Et il y a le document qu'on estime d'information. Par exemple, le bilan de gestion du trésor, euh, on peut le mettre à la disposition des citoyens, puisque c'est leur denier public qui a été géré. Mais pour s'il s'agit de l'armée, c'est confidentiel. S'il s'agit de l'armée aussi, il y a des étapes qu'on peut qualifier de confidentielles. Par exemple, euh, dévoiler une stratégie de l'armée, euh, des ripostes en cas d'attaque, par exemple terroristes, là, ça relève de, secret défense. Mais parler de, du budget de l'armée, ça, moi, je pense qu'il n'y a rien de, confidentiel. Dire que l'État a alloué tel montant, comme le répète chaque fois le président de la République, qu'ils ont rehaussé de 15%, de tels pourcent le budget de l'armée, ça, c'est normal. il faut que le citoyen sache qu'est-ce qui a été mis et à la fin, qu'est-ce qui a été utilisé. Et on saura, peut-être ça peut régler des questions comme euh, quand on dit que l'armée est sous-équipée à partir du budget et de l'utilisation, ça donne une idée aux citoyens. Et c'est ça la gouvernance, la bonne gouvernance. Maintenant, les documents qui ne sont pas communicables, bon, ça relève de, de secret défense qui peuvent aussi garantir, euh, permettre euh, de, une certaine euh, prudence dans, dans, la gestion. Mais il faut voir, parce que j'ai vu beaucoup de débats à cette journée-là, quand certains estiment que ce n'est pas aux journalistes de poser les débats, lorsqu'on parle de l'accès aux documents administratifs, ça relève de tous les citoyens nigériens tous les citoyens, les journalistes en ce qui le concerne, mais les autres citoyens aussi en ce qui le concerne, quand ils sont en charge d'une entreprise et ils ont besoin pour formuler un projet de savoir dans ce domaine-là qu'est-ce qui est disponible, qu'est-ce qui a été fait. Abachari Armi de la radio alternative, cette loi euh, sur l'accès à l'information a été élaborée en même temps que le texte sur la dépénalisation. Comment expliquer que l'un est en vigueur et l'autre souffre toujours du manque euh, du décret d'application Mais écoutez, il faut savoir quand même que c'est un euh, domaine très sensible euh, la transparence, euh, c'est toute une culture. Ça se, ça s'entretient. C'est vraiment euh, le fruit d'une conviction. Quand les personnes qui sont censées faire aboutir ce texte-là doutent peut-être de la capacité de notre presse à faire la part des choses, ce n'est vraiment pas évident parce que vous savez, à une certaine période, plusieurs journalistes hein, ont fait la prison. Euh, pour avoir justement euh, mis la main sur des documents administratifs, même si ces documents n'ont rien vraiment de, confidentiel. Euh, l'un des tout premiers, c'est d'ailleurs Tchangari de Alternative, il a fait deux mois de prison sur cette base-là sous Barré. Malheureusement, justement, l'histoire a démontré que ces documents doivent être mis à la disposition communicable, n'est-ce pas Parce que exploiter peut amener le citoyen à comprendre si vraiment ces ressources, si il est bien gouverné ou pas. Euh, parce que ça permet, leur lecture permet aux journalistes de faire une analyse complète et vraiment pas hasardeuse de, de la chose. Malheureusement, aujourd'hui, on est obligé d'utiliser des bribes d'informations alors que ces documents sont même censés être publics même sur les sites voilà, mais le, journaliste fait sa demande et parce que tout n'est pas être sur un site ou disponible aux archives, donc on lui met à sa disposition parce qu'il en fait sa spécialité. Ce n'est vraiment pas le cas chez nous. Ils n'ont qu'à dépoussiérer, faire euh, adopter ces textes-là pour mettre tout le monde à l'aise. Murtala Mamadou de l'obdomadaire La Griffe, si l'exécutif accepte de signer le décret d'application de cette loi, quel changement espérez-vous dans notre travail de collecte, de traitement et de publication de l'information Bien évidemment, euh, le changement, il sera perceptible d'abord parce que, comme le vient de le mentionner Rémi, sur certains dossiers, on est obligé d'utiliser des bribes, des informations euh, des petites, euh, par, récoltées par-ci, par-là, alors que l'accès aux documents administratifs permettra aux journalistes de disposer et de, tout, de, l'information au grand complet et de faire son analyse et d'éclairer l'alter des citoyens. Mais tout n'est pas dans le décret d'application parce que l'ordonnance portant des pénalisations a été adoptée le décret a été adopté, mais pourtant, qu'est-ce qui se passe Alors, c'est une question de culture, comme l'a dit Animi, et c'est des choses. D'abord, l'obtention, l'adoption du décret, c'est un pas vers euh, cette culture-là, mais par la suite, il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Vous avez, 10 secondes rapidement. C'est pour préciser que la loi, elle est en vigueur. Hein. C'est le décret d'application qui tarde pour euh, détailler certains aspects de la loi et c'est comment l'utiliser. Sinon, la loi est en vigueur. 135 millions d'euros, c'est le montant des contributions annoncées ou confirmées par euh, certains donateurs le mercredi 13 décembre à côté de Paris à la rencontre organisée par le président français Emmanuel Macron sur le financement de la force conjointe euh, G5 Sahel en présence euh, des cinq présidents des États constituant cette force. Abachari Arimi de la radio alternative, quelle analyse faites-vous de cette rencontre G5 Sahel et euh, donateur. mais écoutez, euh, c'est une force, n'est-ce pas euh, Apparemment, bon, qui sera mise en place. Moi, d'ailleurs, au vu des annonces faites, qui sont confirmées, je dirais moi, c'est une force qui sera certainement opérationnelle bientôt. Maintenant, il faut se poser la question euh, c'est l'Arabie saoudite qui est l'un des plus euh, grands donateurs, n'est-ce pas euh, Pourquoi je, me le demande parce que ce n'est pas pour nos beaux yeux, parce que les autres qui s'engagent, c'est l'Union européenne, c'est la France seulement et les pays de la, du G5. C'est une force. Jusqu'à aujourd'hui, je me demande, parce que il y a 450 euh, millions euh, qui sont voulus. Euh, les pays concernés ne contribuent qu'à hauteur de 50 millions. Ça repose le problème. Est-ce que cette force sera réellement notre dans un monde, dans un monde dominé par des espèces sonnantes et trébuchantes, une force qui n'a pas qui, qui, qui, ne, qui, ne, possède pas les moyens de sa politique, est-ce que cette force-là vraiment nous appartient. Jafar Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus, le montant annoncé de 135 millions d'euros euh, vous paraît suffisant pour parvenir à bout de l'insécurité au Sahel Mais pas du tout quand on voit la force des groupes terroristes aujourd'hui qui ont de, des armements... Un arsenal important Oui, dans des arsenals importants en termes de quantité et de qualité. Je pense que ce n'est pas suffisant. Quand vous regardez aujourd'hui la la difficulté que la, la, au Mali, ça veut dire que euh, cette force-là devrait avoir plus. Mais euh, la question qui se pose aussi, c'est, sur le long terme de cette, euh, de cette force-là, comme l'a dit Arimi. Si son financement doit venir de l'extérieur, lorsqu'on engage les, les militaires sur le terrain et qu'il arrive que les moyens ne suivent pas, Qu'est-ce qu'il faut faire Je pense que c'est une problématique qu'il faut poser sur la table et, qu'il faut en débattre. C'est vrai, on dit que depuis un certain temps, depuis à peu près deux semaines, le débat est au niveau du Conseil de sécurité pour voir comment euh, euh, euh, amener une certaine coordination entre la MINSUMA, le, les casques bleus au Sahel, et le G5 Sahel. Mais à partir de là, il faut toujours poser la question de, de moyens. On se rappelle de la force qui devrait euh, protéger le bassin du Niger pour lutter contre Boko Haram. on a souhaité la force multidimensionnelle. justement, on a souhaité une résolution de l'ONU là aussi parce que tout simplement c'est suspendu à un financement extérieur. la force n'a jamais vu le jour et nos pays pleurent du fait des moyens qu'ils utilisent en attendant une résolution. Si un autre front euh, s'ouvre, et que les moyens ne suivent pas, vraiment, euh, il y, a à réfléchir quand même. Murtala Mamadou de l'hebdomadaire La Griffe, était-il nécessaire de réunir euh, tous ces chefs d'État en France pour euh, lever des fonds utiles aux armées du Sahel, hein, sans compter qu'une autre partie sera jouée en faveur à en, février prochain à Bruxelles pour boucler ce même financement? Écoutez, euh, vous savez, la force du G5 Sahel euh, a connu beaucoup plusieurs étapes dans la question de son financement. Donc, euh, euh, je crois que les différents acteurs ont jugé utile de, de à chaque fois de, de, de pouvoir répondre présent pour faire un plaidoyer afin de, de, faire en sorte que les, différents partenaires s'engagent. Vous vous rappelez de la tournée du président Ibeka à la veille de, l'Assemblée générale des Nations Unies, etc. Donc, peut-être euh, ce n'est peut-être pas euh, nécessaire, mais je crois qu'ils le font pour essayer de faire, de dire aux, différents partenaires que nous nous sommes engagés, nous sommes de bonne foi. Voilà, aujourd'hui nous sommes devant vous pour vous dire, vous exposer ce que nous sommes en train de faire et ce que nous envisageons de faire. Mais la question de, la sécurité dans cette zone, il ne faut pas qu'on se leurre. On peut avoir tous les financements qu'on veut tant qu'on va mettre l'accent sur le tout sécuritaire et laissant de côté le développement, il y aura toujours un terreau qui sera favorable euh, à la naissance d'autres d'autres fronts et puis ou bien euh, toujours euh, euh, d'autres jeunes qui seraient disponibles pour pouvoir aller rejoindre les fronts et puis on va revenir. Vous parlez de la lutte contre la pauvreté. Oui, nécessairement beaucoup répondre à l'appel au chant des sirènes des différents groupes parce que ces groupes ont les capacités financières parfois pour subvenir aux besoins de tous les villages, car en, en appui, etc. Et que l'État n'a pas cette possibilité. Donc, les jeunes du village, ils font quoi Ils laissent leur famille mourir de faim ou ils choisissent de partir euh, avec les, narcotrafiquants Alors, le choix est tout simple. Il faut qu'on mette l'accent sur le développement et c'est cela qui va permettre euh, à l'aspect sécuritaire de pouvoir prospérer. Rapidement, vous avez quelque chose à ajouter Non, mais c'est tout simple. Le, problème ne fait que c'est compliqué parce qu'on parle de 6000 euh, militant de, de, de, de, de l'EI, n'est-ce pas, qui a été démantelé au Proche-Orient et qui serait en route pratiquement pour cette zone-là, n'est-ce pas Et ce n'est pas des, des, des, des, étrangers forcément, c'est des ressortissants, bon, ça doit être des Algériens, des Nigériens, des Tchadiens et tout, qui vont revenir. Le problème, nous l'avons dit déjà une fois ici, tant qu'on ne prend pas au sérieux le problème de la jeunesse, écoutez, Boko Haram, n'est-ce pas Ou même les djihadistes ici. On me dit toujours, non, c'est des peuls, c'est des peules. À diva, c'est des canories, c'est des canories. Mais ce n'est rien d'autre que donc des enfants du territoire. Des, nos militaires se battent contre leurs propres frères. N'est-ce pas Pourquoi Parce que ceux-là n'ont pas trouvé autre solution que d'aller peut-être que nous, on est allé à l'école, on a choisi de faire autre chose. Eux, peut-être qu'ils n'ont pas été, qu'ils n'ont pas d'autres, ils n'ont pas choisi de migrer et mourir dans le, dans le désert. Ils ont accepté. L'homme, tant qu'il n'a pas de solution, ce n'est pas tout le monde qui va accepter de rester et mourir à petit feu. C'est élémentaire. Voilà, nous sommes au terme de ce forum du studio Kalangou. Nous étions avec euh, Abachari Arimi, journaliste à la radio alternative, Yafan Maman, directeur de publication du journal L'Indépendant Plus. Nous étions également avec Murtala Mahamadou, journaliste, journaliste à l'hebdomadaire satirique La Griffe. Merci à vous tous de votre fidélité au programme du studio Kalangou. Rendez-vous demain, samedi et dimanche de 17h15 avec Maman Ada pour le forum à Hausa et Balkis Hamidou pour le forum en Zarma qui nous parleront du phénomène de viol sur mineurs au Niger. Merci, au revoir. Alvara.